consulté cette année, à peu près 150 chevaux et plus de 200 petits ruminants. Le, Sénégal subventionne la campagne nationale de vaccination. C'est la peste des petits ruminants pour les petits ruminants et la peste équine pour les équidés. Donc on a voulu vraiment marquer le coup, profiter de cette activité pour sensibiliser par rapport à cette vaccination. D'animaux de race, on a eu euh, à peu près pour les animaux adultes, les béliers adultes, on en a eu 6 à 7. Pour les brebis adultes, on en a eu 8. Euh, les agneaux, on en a eu 6. Bon, pour les antennes, on n'en a pas cette année. Euh, cette année, on a eu beaucoup de cas d'abcès, mais aussi on a eu un cas de, délicieuse. Ce qu'on voudrait vraiment que le conseil départemental nous accompagne, surtout dans la sensibilisation, la mobilisation sociale autour de la campagne de vaccination. Parce que le Sénégal dépense beaucoup d'argent pour cette campagne, mais on n'atteint pas nos objectifs. Et on veut éradiquer surtout la peste des petits ruminants. Et pour cela, il faut que tout le monde soit mobilisé, qu'on vaccine au moins 80 du cheptel. Faire des enquêtes sur l'histoire du Niani, mais aussi sur euh, les ethnies qui composent le Nyani. Nous l'avions fait en 2018 avec l'ethnie Mandeng, en 2019 avec l'ethnie Peul Habobé, cette année, nous avons fait des enquêtes sur l'ethnie Wolof du nyani Et à l'issue de l'enquête, euh, nous avons constaté que les Wolof du viennent euh, de divers horizons. Certains viennent du Saloum voisin, du Ndoukoumane, d'autres viennent du Bundou, d'autres viennent du Yolof. Et nous avons remarqué que cette variété de Wolof a permis d'avoir une tradition et euh, des pratiques diverses dans le Et c'est ainsi que nous avons constaté euh, des migrations dans les Niani et on accueille triomphal de ces populations par les Peuls et par les Mandingues. Le thème de cette année, c'était la culture et le sport au service du développement des territoires. Et c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la culture, à savoir d'abord euh, euh, comment les Wolofs accueillir la naissance d'un enfant, comment il pratiquait l'initiation, comment il pratiquait le mariage traditionnel, les funérailles, les danses traditionnelles et même la chasse et la cueillette traditionnelle. Et bon, les difficultés ont été surtout liées au fait que certaines de ces pratiques n'existent plus. Elles ont été abandonnées avec l'islamisation des populations. Ce qui fait que parfois, on est obligé de ruser un peu pour avoir des informations par rapport à ça. recevez les salutations et les remerciements de toute la population du département de Salemata pour cette marque d'estime qui nous va droit au cœur. Monsieur le Président, si nous avions eu le temps de préparation qu'il fallait, nous allions vous amener des troupes culturelles de chez nous pour vous faire découvrir une autre facette de la culture sénégalaise à travers surtout les minorités ethniques. Toutefois, rien n'est encore perdu, car nous vous promettons que pour le prochain festival du Penchumniani, nous ferons tout pour vous faire découvrir les richesses culturelles de chez nous. En outre, sous peu de temps, nous comptons organiser nous aussi les 48 heures de Salemata où nous vous envisageons de vous inviter. Bref, nous sommes très heureux d'être là et je vous rassure que le déplacement a valu la peine car nous participons à des moments historiques de l'expression de la riche et variée culture de la population de Coupentum. D'ailleurs, nous sommes ici pour apprendre car vous avez acquis une grande expérience en la matière pour être à la 9e édition de l'organisation d'un festival. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية لأجل ذلك أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد maa ngi nuyu monsieur le préfet du département de Koumpentoum di nuyu le sous-préfet de Koutiaba Wolof maa nuyu les forces de l'ordre, gendarmerie, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge, ASP, Manginui, Signi Papa, Ibrahima, Si, moi président, chef de des chefs de village du département. Manguiniou, Presby, sama département Kupantom, maa ngi di nuyu monsieur le tardé Mamadou kase nga xam ne ne sama xarit xàqan la maa ngi koy nuyu bu baax di ko dalal maa ngi nuyu suñu ministre région mooy Sidiki Kaba di ko nuyu bu baax di ko jaajëfal si ndimbal bu ñu defal di nuyu ministre yàpp maa ngi sant waa pencum ñaan maa ngi sant jeunesse bi di sant yàpp tay dama am mbekté taxaw fi mi 9e édition festival penchum ñani sama wax tay, du bari sudul di sante di gërëm di gërëm maire yëpp ñi nga xam né jappu nen ci festival bi wax dëgg yalla di gërëm encore conseiller départemental yi di ko Angkor, Mambo encore membre de bureau yi di gërëm encore sama secrétaire général monsieur Tidiane Tène xale bu mu yaru xale bu am xam-xam xale bu loxo yi set wecc maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk martabam yàlla yokk xewalam ndaxte liggéey conseil départemental bu tolloo fii wax dëgg yàlla war naa ko sant moom ak membre de bureau yi vraiment Tidiane jazakallah xayran ci jaan laa xayran wala afiya wal baraka xale bu set loxo la walla ñëpp la téye di sant conseil di sant tami membre de bureau yi yëpp wax dëgg yàlla vraiment maa ngi am contenté di remercier encore toujours dama koy wax Mamadou Kassé du kase yàgg na nekk parrain festival pencum ñaani du nekk na ko plus de cinq fois ñu ngi si ay neuvième maa ngi si remercier bu baax di remercier encore suñu ministre vraiment Sidiki Kaba moom tamit yàgg na jàpp si festival bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko di ko ñaanal jàmm maa ngi remercier tous les maires ethnie yëpp xeet yëpp fàttewuma kenn tey moom di remercier encore vraiment sama collègue sama collègue président conseil départemental bu jógee Salemata nga xam ne ne fii Salemata dafa sori mu ñëw assister suñu festival pencum ñaani bi te incha allah Eh, ser collègues soy organiser sa festival da nga gis fofu wa pencum ñani denen fa ñew ànd ak délégation bu nga xamantene vraiment sargal la ma ngi sant tammi sama chef de cabinet mu nga xamne ne moy Bokar Diallo nga xamne ne ku yaatu la vraiment amul ben problème ak membre yu mu andal yëpp vraiment dama am mbégte di sant encore préfet di sant préfet bu baax ndaxte monsieur le préfet wax dëgg yalla yau yow yaay jox di ñuy tette di ñu woon yoon di woon yoon sama secrétaire général fu mu war a teg tànkam ak fu mu warul teg tànkam monsieur le préfet jazakallah xayran yal na la yàlla fay maa ngi remercier bu baax encore sama grand frère mooy Sidi Traoré mi de la maire de la commune de Koupentoum vraiment monsieur le maire grand frère sa sa toogaay fii macha allah yal na la yàlla fay di nuyu honorable député Ibrahima Ibrahim Ndiaye jazakallah khairan parce que sa liguey ci assemblée nationale ah département bi yop xamne ne ne ngi taxawal département bi di kas di wax jafe-jafe département coupantom yal na la yalla fay vraiment ma ngi nuyu presse bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina wa muhammadin wa alihi wa sahbi mbokku Koupentoum ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bi muy sunu frère monsieur le préfet du département de Koupentoum bu ñu ko nuyoo nuyu nañu sous-préfet yi mu àndal ak l'ensemble de ses collaborateurs ñoo ngi nuyu monsieur le maire de Koupantoum mi nga xamante ne tey ci dëkkam lay xewe di beral nag nuyoo président conseil départemental bu Koupantoum suma frère suma xarit Oumar Sy ainsi que son collègue le président du conseil départemental de Salemata. Nous sommes ma nuyu honorable député Ibrahima Ndiaye député maire bu Bamba nous nuyu monsieur Lamoka maire de Kouthia Gaydi bi maire Kayen l'ensemble des personnalités yi nga ay kilifa diine lañu wala ay kilifa aada wala ño xamantene amneng am nañ taxaway ci département de Koupentoum ñi ngi leen di nuyu ño ngi jéggalu nak parce que cérémonie bi tay yalla dafa def mo taxone ñu fanan Tambacounda waye lata ñuy ñew dafa am ñu waxone ne dafa xawa yeex ñun donc taxone jëlu ñu won départ donc demoon nañ sax bay romb Koupentoum sama ak Omar moo tax bi ñu waxtaanee ma ne ko ndonte nag nit ñi dajaloo nañ même su ma dee déranger sax parce que lii kenn du ko def te kenn mu suma xamee lii kilifa yi toog ba pare man may ñëw euh, ma ne quand dinaa ñëw pour jëmmal bis bi même su ma ci sànnee ñaari kàddu ñu xam ne ci laa bokk ndax Umar nag dañu bokk lépp ànd ci lépp jaxasoo ci lépp kon bu ñu ñëwee tey yoon la ñu ñëw waa Koupentoum aussi nag jiiñu teraanga yoo xamante ne teraanga yooyu démb la tey soog a ñëw tey boo gisee teeru bu ñu ma teeru fii wax dëgg yàlla dugg na ci sama xol ndax euh, boo duggee ci mbooloo nit ñi jóg nuyu la tatagal la tàccu la loolu yaakaar naa ne signe la ci seen diggante ak ñoom te jàpp naa ne loolu li ko gën a dëgëral bokk na ci à chaque fois que Umar ne ma woon euh, ñëwal nga ne festival bi dama ko koy defal mom parce que amul lu may ñaan lo xamantene ne mën naa ko ma diko gantal kon nak wax deug yalla gis nañ aussi nek festival bi année chaque année day gën jël ampleur li fi nekkoon ni fi nekk ren day toujours gën euh, gatchel xeyna li fi nekkoon daw wala en tout cas day gën nek am jëm que li fi nekkoon daw motax euh yow yaa ngi sa neuvième édition mais yaa ngi ñuy inspiré ndax ñun département de Tambacounda bëgg nañu ren ci votu budget bi ñu def peut-être la première édition de notre festival bo xamantene ci bi lañ koy sukkandiko ci bi lañuy ñëw mu doon suñu modèle d'inspiration bu ko défé première édition bi bëgg nañu mu doon édition bo xamantene C'est équipe bi lay ligéyal mom moy ñëw ligéyal ñu ñu and ak ñom dans un comité de pilotage pour faire la première édition au stade régional ma ñaan la mu doon acte bo xamantene ne dama bëgg ñu poser ko parce que dama bëgg département yi nga xamante ne ñoo séq région de Tambacounda ñu jumale leen ci benn bis maanaam kon dama bëggoon festival boobu doon un festival boo xamante ne dafay permettre aussi Koupentoum Tambacounda Goudiri ak Bakel ñu dajaloo def benn jumelage culturel comme ça ñu dajale cosaanu région bi yëpp ci benn bis mais ni ñu koy defee mooy inspiré wu ci li nga xamante ne moom moo am fii kon nag wax dëgg yàlla Euh, population Koupentoum vraiment ñu ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm di leen wax ne suñu ñëw fii tey dañuy feddale suñu kóllëre ak ñi nga xamante ñoo fi nekk muy le président du conseil départemental mais muy aussi l'ensemble des maires et l'ensemble de kilifa yi nga xamante euh façon responsable bu nekk ñu and ak mom en tout cas population coupentoum na ngeen xamné maangi ak yeen ni ngeen nekkee ak man président du, conseil départemental de Tambacounda et directeur général de SICAPESA, Monsieur le maire du département, Monsieur le directeur général de l'Agence de développement local, membres des forces de défense et de sécurité, très chers représentants des départements voisins, Monsieur le chef de services régionaux et départementaux, Monsieur le Président des chefs de village, chers membres des délégations des communautés ethniques, membres du comité scientifique, honorables invités et partenaires du festival, chers communicateurs traditionnels, chers amis de la presse, représentants des jeunes et des femmes, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, et qualités, population du Niani, population de Compentum. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois à Compentum, ce nombril du Nyani, est porte de la région de Tambacounda pour célébrer la 9e édition de Pentum Nyani au Palabre du Nyani, qui est un concept mis en place par le conseil départemental de Compentum en collaboration avec les 10 communes du département et les populations en vue de revisiter l'histoire et la tradition du Nyani et du Wouli il s'est toujours agi d'organiser trois jours de festivités, de rencontres, de réflexions et de communions à travers les activités du festival. C'est le lieu, avant d'aller plus loin, de remercier les élus territoriaux, les maires et les élus nationaux ici présents. Ce festival, considéré comme un cadre d'analyse et de réflexion, de proposition et de raffermissement des liens de solidarité et de fraternité permettra d'organiser des rencontres avec les populations et de répertorier le patrimoine matériel ainsi que les sites historiques de tout le département pour une promotion du tourisme et un développement harmonieux de l'économie locale au bénéfice des communautés. Il permet aussi de rassembler tous les acteurs territoriaux unis comme un seul homme en un mot Penchum Nyani doit permettre, j'allais dire, permet déjà à tous de parler le même langage et de regarder dans le même sens celui du développement du département de Kumpentum. Aussi, cette neuvième édition du festival Penchum Nyani permettra-t-il de consolider et d'approfondir les acquis menant vers la construction d'un produit culturel local, touristique, communicationnel et de promouvoir les potentialités dont regorge le département. En effet, les parties prenantes au projet sont aujourd'hui convaincues de la valeur ajoutée de celui-ci dans tout le département et même de la région. Il urge maintenant de le perpétuer en procédant à la promotion du patrimoine existant au sein des différentes communautés ethniques. Au demeurant, ces 112 heures de festivité nous permettront à coup sûr de consolider les acquis. C'est par ces mots Mesdames et messieurs, chers invités et chers populations, que je renouvelle mes félicitations et encouragements au Conseil départemental de Kumpentum, à ses partenaires, aux organisateurs, et, déclare au nom du ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, que je représente ici, au nom du gouverneur de la région de Tambacounda, lancer la 9e édition du festival Penchumnyani et vous remercie de votre aimable attention.